Euh, merci beaucoup. Euh, tout d'abord, je vous remercie pour votre présence. En fait, euh, nous étions là aujourd'hui à la police de Grand pour venir déposer une plainte. Une plainte pour dénoncer les agressions récurrentes qui se passent au niveau de l'ascad Urbam. Et la plainte a été déposée, alhamdulillah. Maintenant, nous attendons la suite euh, pour les enquêtes et autres. Depuis la levée du couvre on, note des agressions récurrentes au sein de la cité SCAD Urbam. Et je pense que cette situation ne peut plus continuer. C'est la raison pour laquelle nous, jeunes de la SCAD Urbam, nous nous sommes levés pour porter le combat. Et voilà, je pense que tout d'abord, nous avons averti nos autorités administratives, en l'occurrence la police, la mairie et tout. Nous l'avons fait. Maintenant, pour les autres stratégies, pour contrecarrer ces, violences ou bien ces agressions au niveau de la SCAD Urbam, nous allons voir ça en interne. Je suis leen di nuyu ku si police Grand pour déposer plainte plainte boo xam ne déposer pour dénoncer agression au niveau de l'Ascat Urbam plainte bi déposée neen ko maintenant jox neen rendez-vous très prochainement pour nous déglu pour suite enquête maintenant depuis lever cours, nous avons une agression noté ay agressions yu récurrentes parce que mënuñu toog jour sans que quelqu'un nous plaindre affaire agression maintenant nous jeunes de l'Ascat Urbam avec le président Abdoulaye Nous avons pris en main les choses afin de pouvoir euh, contrecarrer ça et tout. Merci.